auditeurs du Niger sur Kalango, très ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Vous êtes en compagnie de Rabia Mekano et Mariam Ade pour la présentation. Mariam, comment vas-tu ce matin Ça va bien, Rabia, et toi Je me porte super bien. Alors, qu'avons-nous au programme de ce matin comme d'hab, Mariam, nous aurons le flash, la rubrique hebdo consacrée à l'entrepreneuriat, le reportage région qui nous mènera à Difa pour parler de l'excision qui persiste encore, sans oublier notre page sport et le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalango. En plus, dans cette émission, nous découvrirons un centre de récupération des jeunes à Maradi. Ça sera dans un entretien avec Madame Hamissou Saoudé Lawali, fondatrice à Didi Center. Que serait cette émission sans nos techniciens de l'autre côté de la vitre Un gros coucou à Issa Lawali et à Rahila Toussoumana qui assure l'édition. Accueillons euh, dans quelques instants Nafisa, Nafisa va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant cela, Mariam, on part en musique. Eh oui, Rabi, nous allons faire notre première balade musicale avec une collaboration de MC Flo et la talentueuse artiste, chanteuse et actrice nigérienne Momi Niger. Tu as deviné le son Bien sûr, c'est le titre Aihondo Al Malaika. HD Music.

shan shana ai ga dar me. cariño. Y en la mente me está un poco. masi masi masifutu masituku masinye wakiga batarino inirikwi tunanga bani baunara keigeni mpebeni bajonga merite ni sekurwaniswangeiga tonton ankeseiga tonumane andino fait, Mariam MC est un artiste malien. Il réside au Niger depuis quelques années et la chanson, cette chanson est sortie en février 2022 de son album Ma musique, mais c'est cette année que ce son a fait vibrer la toile, notamment TikTok. Maria, nous allons attaquer euh, la première partie de notre entretien, c'est ça Eh oui, bébé, dans la première partie de notre entretien du jour, euh, Madame Haïm Saoudé Lawali, fondatrice à 10 centres, revient sur son parcours et ses motivations sur la création de ces centre de récupération de jeunes à Maradi. Nous rappelons que ce centre propose des alternatives au petit commerce à des jeunes filles et garçons de la région de Maradi. Top, c'est malaman makaranta ce ni ƙananan makarantu na ikwal maradawa yan nake kamar farmasiyon wanda na samu ni dai kawai dama rayuwata da na tashi kawai na tashi ne cikin jama'a da na yi aure ina cikin jama'a hakan ga mai gidana dai nake son dama ni ra'ayina na in tattara mata ne mai zana kawo ƙungiya muna harkar ƙungiyoyi na mata tun wajen katruvendis nike haraka kungiya ta mata wajen shekara talatin da uku nike wanga harakokin tun ina cikin mamba har na kai na zama president tattare da mata kowane lokaci in kika zo gidana kina samun mata mana harakokin mana na zube-zube na kungiyoyi yanzu ni ina president ta kungiya sa kai na collective na gurfuman kuma feminin kawai matattara gungun kungiyoyi na sa kai ni ce president dinsu. to kuma yanzu mun gane ku kuna jiran wani santar iya federation kuna iya gaya mana kamar kuna iya kuma tarihin wannan santar kin da sabilin da yasa ka buɗa shi ni dai tarihin wannan santar abin da sa na buɗa shi kawai duk sahiyar da Allah ya yi in kika zo gidanmu ki samu baƙowa ko baƙo wanda zai zuwa bisa kan ɗiyansu karatu an hiddo masu yara daga lakwal a kama masu a yi wa ke ganin maimakon da a tsaya din nan ni yaran ni kuma sai nike je ina tausaya masu ina tausaya ma uwayen saboda wasu ba su da hali ne kana so dan ka yi karatu ba ba hali dan na yi ta ɗaukan nauyin wasu ma in zuba masa karatu su yi su ci gaba da karatunsu wasu in taho in gani ya ne ya kamata a yi a maida su su yi karatun to nike ta ganin da tsayawa wannan kwamma in buɗe santar wanda yaran su zo su koyi sana'o'in hannu don su dogara da kansu har su tallafa ma uwayen nasu shi sa na buɗe wannan santar don ba ni san in ga yara matasa suna garari haka ba su da sana'a yi suna zaman banza tunda in na ce in biya masu karatun bai wuce in ɗauki mutum guda cikin shekara in ce na kama mashi na biya mashi karatu kenan kinga kuma su jama'a yawa gare su shi yasa sai na buɗe wannan santar ɗin. to menene kuke koya ma wa'annan matasan kuma ya ne kuka tsara eh, karatun na cikin santar kyan. kamar yadda muka tsara wanga karatu na cikin santar yanzu dai mun tsara shi da zuma za a yin shekara uku na karatun yanzu bana ne muka buɗa shi mun buɗa shi ne kawai yanzu yaran duk da suka zo yanzu za su yin karatun gaba ɗaya suna kallon duk kowane filiyar za a yi yaro ya zo ya sa idan shi ya gani kamun nan shekara mai zuwa muna so mu hidda a tantance kowa ga karatun da yake bukata yi in cikin wannan abubuwan da ake koya masu in ɗinki kake son yi in informatika kake son yi in gyaran wuta ko gyaran wannan gyaran ruwa ko ko wanga makeup da wani cosmetic wanda dai yaro ya hiji ya hi so ga zuciyar shi kenan in muka zo shekara ta biyu shine za a hidda su a bamba a rarraba su shekara ta uku ma kenan yaro ya yi dan yi da tantance abin da ake koya mashi to a wannan lokacin ne muke neman mu ga yanda za a yi mu bada kuma attestation dan saboda in ci gaba da karatun in kuma za su tahiya su ma su iya Avant de poursuivre avec la seconde partie de notre entretien, accueillons ensemble Mustafa Mamansani qui nous vient avec le flash d'information. Bonjour, Mustapha. Bonjour Abi, bonjour Mariam. Bonjour. Alors, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a reconnu la déchéance par un coup d'État militaire du régime de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Cette précision a été apportée par l'organisation sous-régionale dans un communiqué publié le jeudi 14 décembre, donc hier. Ce communiqué indique qu'à compter du 10 décembre 2023, le Niger est suspendu de l'ensemble des organes de décision de la CDAO et ce jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel euh, dans le pays. Un chronogramme de la transition justement nigérienne est en gestation annoncé hier le ministre des Affaires étrangères du Togo en visite au Niger. Robert Dusset a été reçu par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine en tant que représentant du président Fournia Simbe et Adema, médiateur dans la crise nigérienne pour aider à une sortie de crise. Le diplomate togolais a déclaré à sa sortie d'audience qu'il reviendra avec son homologue de la Sierra Leone probablement en début janvier de l'année 2024 pour la finalisation du programme, du chronogramme de la transition qui est attendue. Enfin, les autorités régionales d'Agadez encouragent l'abrogation de la loi 036 de l'année 2015 sur la migration irrégulière. Désormais, précisent donc les autorités, tous les passagers en direction du Jado, donc à la frontière libyenne, sont enregistrés sur une feuille de route et passent par la réglementation officielle, a indiqué le maire de la commune urbaine, Abdraman Tourawa, au studio Kalangou. Rappelant que c'est le régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023, qui a abrogé cette loi votée en 2015 et qui criminalise le trafic illicite des migrants au Niger. poursuivons avec euh, la seconde partie de notre entretien du jour avec une cinquantaine d'élèves. Quelques mois après l'ouverture du centre de récupération des jeunes, la fondatrice qui ambitionne de mettre fin au petit commerce des jeunes filles à Maradi déplore quelques contraintes pour l'aboutissement de son projet. Elle évoque entre autres l'insuffisance de matériel adéquat et un local spacieux. samu kamar yane suke suna shiga cikin kuma in akwai kuma wasu kuɗin biya da na shiga na fara karatu mhm. kamar yaran daga kawar da bushe alurai kawar daga kunne ne na ji ga wani ya gaya mani kuma akwai radiyo da muka sa talla ana tallar shi duk sahi ana abin gaɗin shi suna saurare wasu cikin rediyika wasu kuma daga zowa nan ne in suka ba abokansu labari suke zowa ke duk sahiyar da Allah ya ma uwayen ne ke kira saboda ɗiyan suna zanne gida ba su aikin komi in suka ji wa gatallai suke kirawo ni su ce za su zuwa to dan abin da ake zubawa bai taka kara ya karya ba tunda ba kudin abin gaba ne ba su wa'anda suka zo muka hada karhi da, sani tare da su kawo wa'anda suka kama ne kawo bon volante su ne suka ce za su kama su abin ga su koya ma yaran ba wani abu ake ba su ba tun da jika sha biyar ce yaran ke zubawa da rabi wannan jika sha biyar da rabi in cika lissafa ba ta biyan ma'aikatan wurin kawai dai ana yi ne ƙarfin hali muna yi kaman har mu samu wanda Allah ya sa mai eh, masu tallafa ma jama'ai da gwamnati in ya saurari kukanmu ya yi niyya ya kama mu saboda ko waɗanda ke zuwa suna koyawa a samu ɗan abin ba su da kuma kayan aikin kina ga ai su wadace mu ba dan informatik ma sai an tashi daga nan wurin an ta yi ami da jen na andimi can ne suke tahiya siyo informatik kenan in muna da kayayyakin da zaman aiki nan wurin bai kamata ba a ce sai an tashi daga nan an ta yi wani wuri kenan muna shine muke abin aikin waɗanda muka gama karhi tare da su muke yi. Yanzu kun fara zancen bukatun ku yanzu kamar simi da menene kuke cikin matsatsin muke da matsatsin bukatunsu kawai yanzu abin da muke tsananin bukata yanzu wanga ordinatar da teloli an na manyan teloli ga email da ake abin nan ake dinki da ita kuma kina ganin wancan wanda muke saka da su su ma guda uku ne kaɗai gare mu da tabuloli na zama duka ba mu da su a duk da dai mun yi tambaya wajen president na ville ya ce ya kama mamu insha Allah to abin da dai muke duk bukatocin su ne ga su kuma in son samu ne tunda wannan wuri ba sa kina ganin wurin ya yi kaɗan ma ga wurin zama in son samu ne muna son mu samu wanda Allah ya yi ma buɗi na alheri ga irin wanga abubuwan masu tallafawa mu samu wurin da za a cewa an ba mu inda za mu tahiya mu ƙara samun azuzuwa tunda kina ganin shekara uku da za a yi duk cikin wuri guda za a yi shekara uku ai dole sai mun samu aji aji wanda za mu karawa mm. insha Allah yaro nawa ne ke gare ku da kuke yanzu dai nan wurin muna da yaro hamsin da shidda yau muna da yaro hamsin da shidda wa'anda ke dai zowa dimin dimin tunda yaran sun kai sattin wa'anda aka kilga yau da an sami yaro hamsin da shidda ciki yanzu muna so mu sani kaman gurin da kuke so ku cimma matan da mun ga dai wannan eh, al'amarin na wa'annan yara wanda suke cikin talla gaskiya yana ce muku to a ƙwarya ni yanzu gurin da nike so in cimma in ubangiji ya taimake ni daga nan zuwa shekara ga uku da yaran gazasi a ce ba mu ganin yaran nan yan mata suna tallace tallace ko ko yara samari suna zaman shan shayi ba musu shi ya sani wannan gurin ina son in ba a ce an kare shi ba gaba ɗaya nan da jihar maradi to a ce mun rage da yawa a katuro fursan a ce babu wannan tallace-tallacen na 'yan mata kuma babu zaman shan shayi na yaran samari tunda daga wajen wannan shaye-shayen shayin ake ɗaukar shaye-shaye tunda muna ma waye masu kai bisa kan irin wannan rayuwai ba mai kyau wace ba to muke son duk su ma in sun tai su ki waye ma abokan su kai Allah ya sa duk hankalin su ya juyo inda za a yi ta Place à présent à la revue de presse de la semaine et ça sera avec Fanta Chamsou. Bonjour Fanta. Bonjour Rabi, bonjour Mariam. Bonjour Fanta. Alors, voyons un peu ce que nous rapporte la presse nigérienne cette semaine. D'abord, parlons des sanctions de deux sanctions de la CDAO contre le Niger. Des ONG internationales alertent sur l'absence d'exemption humanitaire titre un article de l'agence nigérienne de presse. En effet, Rabi, sur l'ANP, on peut lire plusieurs ONG internationales exerçant au Niger ont exprimé le 12 décembre 2023 dans un communiqué leur profonde déception face à l'absence d'exemption humanitaire dans les sanctions prises contre le Niger par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Selon les, les organisations qui ont appelé à la réouverture d'urgence de la frontière entre le Bénin et le Niger, ces exemptions humanitaires humanitaire atténuerait la, les souffrances de plus de 4 millions de Nigériens ayant un besoin urgent d'aide humanitaire et pour lesquels les conséquences s'aggravent de jour en jour. Plus de 2 millions de personnes ont été confrontées à l'insécurité alimentaire entre octobre et décembre 2023, ce qui a contraint 15% de la population à déménager, faute d'accès à la nourriture ou à l'assistance, et plus de 185 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë modérée et non plus accès au traitement et 40 000 enfants euh, risquent de tomber dans la forme de malnutrition la plus grave et la plus mortelle du fait justement du maintien des sanctions de la CDAO. Les conséquences directes pour la population nigérienne sont entre autres la rareté des liquidités et la difficulté de s'approvisionner en nourriture, conclut l'ANP. Fanta clôture de la deuxième session ordinaire du Parlement de la CDAO, l'institution reste optimiste quant à l'avenir de la communauté selon l'agence nigérienne de presse dans sa parution du 13 décembre 2023. Effectivement, dans sa parution du 13 décembre, l'ANP dit, je cite, la deuxième session ordinaire de 2023 du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a clos ses travaux le mercredi 13 décembre à Abuja au Nigeria sur une note d'optimisme quant à l'avenir de la communauté. Après trois semaines de travaux et des débats intenses de collaboration et de réflexion, la session qui s'est déroulée sous le thème Construire une CDAO résiliente et durable dans un environnement mondial difficile a présenté un projet de budget pour 2024 en priorisant les domaines la promesse d'un soutien d'environ 7 millions de dollars au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les pays les plus touchés par le terrorisme, a été faite. Et dans le secteur de l'éducation, dans la région de Tilaberi, réouverture de 122 écoles fermées pour cause d'insécurité, Actu Niger, édition du 14 décembre 2023. En effet, l'opération de réouverture des écoles fermées pour raison d'insécurité a été lancée mardi 12 décembre avec pour cette première phase 122 écoles concernées pour un effectif total de 10 259 élèves, dont 4 808 filles réparties dans les différents départements de la région de Tilabéry. Au total, près de 1000 écoles ont été fermées ces dernières années dans cette région située dans la zone des trois frontières en raison des attaques des groupes armés terroristes, privant ainsi quelques 80 000 élèves de leur droit à l'éducation. Cette opération de réouverture des écoles fermées pour raison d'insécurité dans la région de Tilabéry s'inscrit dans le cadre des recommandations et engagement pris suite au forum organisé le 23 février dernier dans le chef-lieu de la région sur la situation sécuritaire dans la zone frontalière du Mali et du Burkina Faso. Ainsi, dans une note de service en date du 7 décembre, la Direction régionale de l'éducation nationale de l'alphabétisation et de l'enseignement professionnel 122 écoles ont été proposées pour ouvrir au plus tard le 12 décembre 2023, totalisant un effectif de 10 259 élèves. Et c'est tout pour cette euh, revue des presses. Merci, Merci Fanta. À bientôt. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. La rubrique entrepreneuriat de ce jour nous fait découvrir les activités de l'Union des femmes Hatinkai de Arnawa. Elles sont spécialisées dans la transformation agroalimentaire. Ces femmes cultivent elles-mêmes leurs produits sans engrais, c'est ce qui fait leur force selon une des membres qui est notre reporter a rencontré une foire des femmes entrepreneurs. Leur problème principal, ce sont les emballages, explique Amina Tahiru au micro de Hawa Maman. kan da mori nga hamno kan da mori nga kuli kuli a abana zam mori nga kuli kuli o diabet safar nagati jiwo moɗo fitta en fatta ga a ga safar kan da gabu hamno zam gabu o iri gabi zo no gono albasa no gabo gono gabu ta gono no aya gono zam gabo ifono ka te irga ba so roma jiwo dini da angara din ki gidan waraira an borai cewai wi an borai muwai wi ya dinga gabo dina hagu ina dan hoyora nan kulkan nigo niga ma hewo ya dinga a gino gabi kan niga wagu kungu man ta kaddin roma ji wadan kama a kani wani deno ga ya dinga gabo gini no gabi kan nan ninwa a sindin se dori kulkan igate wato dinga damsigiyo ne ka zan so in gifo gono na ka ni ga di hewo sukana ba ni dan waro ran sin wa mm. wodin se no jiyoy yai irgi ne har in ne to bora ima kambaran char kambara imate nongu follon hin ga jiyo te ise company bor kundu gunga wana jiyo mayo dan nima kanda kadan iga bay bidon marje kanno iga du zarra iga marje no borai kwanda margino group ma yan kwanda lamto mu ne ya ir gadan ir bumbono gaduma dinne duma ir sidan takin zamani ifo no kir sidan takin zamani zan takin zamano dini borai farganda ir no te compost ir bonse ir gnere ir gidai ir dumizoga ya dini ga ir gir her haugai albasan mu aikan da albasan kan sin da gare digi hin ka gisi kal handu iddu hay kul mallan baga wato din kin niga ne zambar wai kin din kin niga ne zambar wai ya din ga ni di da mate ni di ha kai ir kan da na ir goga talle borai ma di gadi mate ni goga te imu dugudi ir se irmo dugu tunu o aseno ir ga talle tun sun aran aran gurpo da aran gutu zangu bor majini ir gurpo ma sindikal bor zangun da waranka ya dinga irga ba se so ko o oh, zanga so ir ko mara na o fugati mhm. sande ngara ngo di goyora ha to sande o ka go di goyora ngano gati barazi ginai ir se irga ba im tirse formation ya wali fanda yan se kan gana gamo mataka irga jinai kai ne kai ne irgi ambalage ya dinga gamo irmu duwai borai mu bai kan Niger wai borai ngai bumbo ce ci kono zamdi ni goga ce ci gadu ni go kurnye gaga sinai ya dinga lakkal kanai aga ka huwora nin din kunya da ni zai kun gamora amma din sinda ni sutu ni suke kin su bai man gano ni gan man gano ni ko sauki sinai sina hal abara Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Rabia Mekano et Mariam Mariam, faisons un dernier tour, euh, un deuxième tour en musique. Cette fois-ci, nous plongeons dans le Bollywood nigérien avec cette chanson qui a fait le tour du monde de l'Ariwa et sur les réseaux. C'est le titre Insaido de l'artiste Dan Lafia. takama su suka ce Allah kiyaye ina ruwa na da ku yan sa ido kuna ruwan ido magautan mu kuna ruwan ido ku na sa ido ba daɗi na duniya ba ban yi abin na yaudara ba wannan ba fa abin munafinci ba to a hakan kuke ta zagi na? me ɗaki ya san wurin da ke mai yoyo wasu na ɗauka alhaki na wayo ba ku da masanin hakan ɗan juyo da an yi kiran dai uwa akwai dai bawa da kaji ana saki saki ba a kamu ba tun da an ce dauka kawai ake yin rauni dan makahon daji shigarsa ko illa wuta a jikin ɗan adam fa ya kwalla kashe mamar sana da dama C'était un saïdo de l'artiste Fia de son vrai nom Yahya Mohamed. Fia chante depuis bientôt 5 ans et nous a confié être passionné de musique depuis son jeune âge. Il a réalisé son rêve puisqu'aujourd'hui il est acteur, interprète et chanteur. À ses débuts, il suivait tout simplement les artistes avant d'en être en lui-même. Dans ses chansons, il essaie de sensibiliser et de parler de la vie sociale. Pour le chanteur, la chanson est un tout car il en a fait un métier. Il est 11h28 à Difa. Si vous êtes de passage ou résident à Goudmaria, vous suivez l'émission Les Niger sur Kalangou sur la radio Kiesa 99 Améga S. Un à l'équipe technique de notre radio partenaire. Et Mariam c'est le seul canal pour suivre cette émission dans la région de Difa. Et c'est justement dans cette région que nous mène notre rubrique Écho des régions. Malgré la lutte dans le pays pour mettre fin à cette pratique de l'excision, elle persiste encore dans certaines parties du pays dans Ningimi, où depuis le début de l'année, une trentaine de cas a été enregistré. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Maina Abdoulaye. Jusqu'à ces jours, il y a des communautés dans le département de Ningimi qui pratiquent l'excision. et le font avant de donner leur fille en mariage. Cette pratique, les concernés ne l'approuvent pas comme Zahra Suleiman, une victime qui témoigne. Elle déconseille aux parents d'imposer cette situation à leurs enfants. Ni ma amin wannan kaciyar mata amma gaskiya akwai matsala sai a ce wai al'ada ce in ba a maka shi babu wanda zai zo ya arme ka dole ne sai an maka shi. Sai a ce wai aka maka saboda wajen saduwa da miji zaka ahi yara lahiyayyu babu matsala gwada ma ba a maka ba ma yahi wallahi. Ni ma nan shaida ce. Waye gaskiya sanatsu wallahi duk duk da take so ta sa iyata wannan hanyar kar ta yarda a ma'iyata kaciya ko an mata ko ba mata ba aihuwa wannan daga Allah yake ya kamata shugabannin mu su ba da kyau duk wanda yake wannan abin ya kamata a tahi a kama shi saboda ba abu bane ba mai kyawu selon madan dauda hajara in family leader de ningimi sai ki excuse leur fi utilise des prétextes non justifiés pour les faire kaciya wannan da suka yi bai kamata a yi ta ba tunda kaciya nan ba a san illa da za ta kawo ba kaga yan an yi ta tana zuwa da hatsari ko mutum ya mutu ko ya lahanta al'adun laraba ne ba na hausawa ba ne su ne ma yin kaciyan nan kaciyan nan su daina yin ta ba ta da kyau proje ta taba yi mana gargadi tare da su an ce a bari kullum ana gaya mana su bari yin kaciyan nan kuma mu ma kanmu an mun hadu da su haka ko wurin sabga muna ta kaciya ba ta da kyau Allah bai ce a yi ta ba cette pratique n'est pas sans conséquence sur la santé de la jeune fille explique Sani Shaibu le major à l'hôpital du district de Ningimi na horko an aka ce kaciya ka gani akwai abin da za a yanke ko jini ya zubo to jini nan yana zuba yana zuba in ya tsayawa ka gani yana iya karewa a jikin mutum kuma yana iya kaiwa yarinya tana iya rasa rayuwanta kuma hallo na biyu wannan abun da za a yi aiki da shi ko aska ko wuka ko reza ba a san baya aiki tana yawa yana da cuta a ciki kenan kaga akwai tetanus tunda ita ma a cikin ƙasa ne take kaga akwai kamar su hepatitis ciwon antana su kamar vih sida su wani ciwon sanyi duka ana iya ɗaukan su wannan a cikin askan na wanda aka yi amfani da ita malgré la lutte dans le pays pour mettre fin à cette pratique de l'excision elle persiste encore dans certaines parties du pays à Ningimi région de Difa plus de 33 jeunes filles ont été enregistrées victimes de l'excision entre janvier et octobre cette année. C'est selon une association de défense des droits des femmes et filles victimes de violences intervenant dans la zone. C'était un reportage de Maina Abdoulaye depuis DIFA. Merci Maina. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Adam une notre chroniqueur sportif, et de la place. Bonjour, Adam. Bonjour Rabi, bonjour Marianne. Adam, ce matin, tu nous viens avec un bilan complet de la cinquième journée de la Super League. Eh bien oui, la cinquième journée a pris fin, j'ai dit, avec quatre matchs au programme. Quatre buts ont été marqués lors de ces rencontres, ce qui donne une moyenne de un but par match. Adam, tu peux nous rappeler les scores avant de donner les classements euh, généraux eh bien oui, Rabi, commençons par la rencontre entre l'Urana FC Darlit et l'AS Police qui s'est soldée par un match nul de 0 à 0. Amaradi Zongorzo FC a perdu sur le score de 2 buts à 0 face à l'Olympique FC de Niamey. AS Douane contre AS Nigelec 1-0 en faveur des douaniers. Même score entre Akoukana Darlit et Renaissance FC de Bukoti en faveur des muniers. Au classement, l'AS Fan reste celle leader du championnat avec 12 points, talonnée par l'AS Douane et l'AS Nigelec juste derrière avec deux points chacune. Adam, en bas des tableaux, on voit Kokana, FC d'Arlita, Jangorzo, FC de Maradi, Espoir, FC des Anders. Eh bien oui, malheureusement, tous sont des clubs de l'intérieur du pays. Justement, allons à l'intérieur du pays où euh, le match de gala se jouera demain entre deux euh, mythiques clubs de la région. Eh bien oui, Rabi, une première dans l'histoire du football national, les légendes des années 80 de l'Espoir FC et de Alkali Nasrar de Zander à l'honneur. Rendez-vous tous ce samedi au stade Lawandidi Manzo de Zander quand il sera 15h. L'entrée est gratuite. Merci bien, Adam. À très bientôt. Allez, au revoir. À demain. Au revoir. Suivons à présent le portrait de notre émission. Il s'agit de Madame Saoudatou Malambaba, une veuve qui, depuis le décès de son époux, élève seule ses enfants. Elle nous parle de sa situation dans ce portrait réalisé par Aminata Boubakar. a gwanda jiri wai tashi lasa bai sabdat malam babu kwara wura ta gisi zaji zambar hinkan di wocin da hinza hunkunin na gogin gala tun mizi iddo jere wandi hinkan kan da su tashi a gogi da dirse mai gidana dai ya zan babu yau shekara goma ai kwara bora gi wai ne ya kan kwai ninga talfota a bugu da ka iddu na ngaisi wai bor hinkan da albor taki ai no gogi tina yayi sambu to ba funa wo kai kal dai bor mu ne alhamdulillah zan ba funa kal suru man ta halka ni funar gogama ir goga haudu kwai da wankanti kani yo kir gogama man ti danga wato nu amma da wadin kulu ir goga sabu iri-kwai si han foyan dir churgusu ir si hauru wal dir hauru ir si churgusu sahe tana yi wa a rasa na rana ko kuma a rasa na ranan a samu na dare a dai ake tahiya. Sijira kawo kuta da jura gano saurat malam baba gogin ga murada feri amma ce yan abin da kai nasu wasa ka almiyalo murada kan yan bakul feri. Ina da sana'ayi tunda menene sana'ar da ai gwai kai gogati inga radiyo radio gwai sigir yanno ai gunu kai na kai gogudu a radaino ir gogite yadin da man ta halaga wasu no te daino ya dinda zan muradai ga bagumo zan kai lokol ginai ne ya makaranta handu no hune ya alcirkarai no hune ya kan na mu muradi kai kai ne ya kawo duka wannan dai ana fuskantar su Ruth Malam Babu ne kan burkan go gihin ba funa ga sandi dam sandai babu no ka garasi gaskiya matsaloli ba amma zancen su akwai su sosai lalle sandai kan goni si kabu iga bagumo son dir sambu handu bandai wura kan haya da yadin ga sandai gonu zamon kan borgo gudu bumbo sigi wasu borgo te yadin dano wani moye ga katon tonkwai ne yadin ga sandai bobu gonu son alatu mai borai kan gihin giga mbodo borgon gidi alhali kara igondi wala yadin ga dangi kain kidano irkoi no gida bar hai kulsi ir no kan da wani ingino ga hingaban amma da wadin kul irgo ga sabu ir da bo hai gora beran di yan wadin bumbo gomnino ai hindai no go ga izai tina sambu koi dai mu diyaisi sai ubangiji Allah madaukakin sarki shi da ke dafa mini gaskiya ba da yadin sanda shi ga malam baba ganji am kokar berin da himmar dan am sabu irko sai ingi zai su ba mu boriyan maga ni fatan da za ni kowace wani lokaci allah ubangiji shi na ka roko tunda ke yango kan gaise gati ayo irkoi daina mai ware zama in inguno gida bar haikulsi ai gogi irkoi ware ai zan kai mutun gate zan ka albarkantiyan ai gogi irkoi ware mu cewyon wo kan yi gori te irkoi dai minu a umfanu irtabo mu ban Allah ya sa su cimma wannan guri wanda na sa gaba Portrait réalisé par Aminata Aboubakar, rendu au studio par Moussa Hassan. Allons pour notre dernier tour en musique. On écoute cette collaboration entre DJ Mastataf et Barakina. Ils nous viennent avec le titre Boss. Yoga DJ taba a saba gase da kai boss me ka ta uban an banza kake boss me ka yeah. boss me ka yeah. boss me ka ta kana ba su suna ta sha boss me ka ta boss me ka ta boss me ka ta ba a Kachaba chaba asaba da da kai boss maker chaka na ba su suna ta sha so ga su can ana doro ba yesha me daɗi me kata ba yesha me zahi a'a ba shi son me tsami shi da sai dai aka mashi da zaɗi a'a wando ɗari biyar riga ɗari biyar jaka ɗari biyar ko wata cikin ta miliyan biyar boss bobo boss boss bobo boss boss bobo boss boss bobo boss boss me kata ba asabu ga sai da kai boss me kata uban good. Boss make a track, yeah. Boss make a track, yeah. Boss make a track, and now boss so not a shot, yeah. Boss make a track, yeah. Boss make a track, yeah. Boss make a track, but I call me say the guy, yeah. Boss get uta, yeah. Boss get uta, yeah. Boss ba shi kama change, ya rige ya wuce, yeah. Boss ya wuce, boss ya wuce. wasata tashi muna busa muna escalation boss boss baba boss Mohamed

Bossa Boss Maikata, une collaboration de DJ Mastertaf et Barakina. Mariam, je sens comme une odeur de loti et ce matin, elle est bien parfumée, n'est-ce pas Oui, Rabi, c'est parce qu'il parle d'un un produit très apprécié utilisé par les femmes ici au Niger. C'est un produit utilisé pour donner une odeur agréable à nos intérieurs, nos habits et même notre corps. Néanmoins, il est conseillé d'utiliser l'encens avec modération, car la fumée qu'il dégage pourrait nuire à notre santé. Alors, comment s'y prendre Hawa Ousmane, Rekia Alimi et Samira Rouafi nous en disent plus dans la rubrique Loti. on sent le poisson comme ça. Ou bien tu n'as pas bien lavé la serpillère. Si, tanti. Hum. Apporte-moi vite un peu de braise pour mettre de l'encens. Comme toi, tu ne sais pas les faire. Tanti, je voulais le faire après ma lessive. Hé, eh, donne-moi juste ce que je t'ai demandé. Mhm. Voilà, ça en commence, c'est bon. Je retrouve enfin mon salon. D'ailleurs, je rajoute encore. Zoéra, viens m'augmenter les braises. Tu sais beaucoup, hein. Il y aura trop de fumée, ça rentre même dans mes yeux. Est-ce que ça te regarde Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, ma cocotte, qu'est-ce que tu fais sous ce soleil ardent Je fais une course, ma chérie, dans le quartier et j'ai voulu te faire une surprise. En tout cas, c'est réussi. Comment tu vas Et ta famille Le boulot Alhamdulillah, tout va bien. Et de ton côté Ça va aussi très bien. Mais ma cocotte, ton enceinte là. <coughs> Mais tu as mis de trop. Tu vas nous asphyxier. Non, ça ne fait rien, toi aussi. C'est toujours comme ça que j'aimais mon enceinte. Comme ça, ma maison sentira très bon toute la journée. N'incrimine pas mon enceinte pour ta tout. J'espère seulement que ce n'est pas Covid que tu m'as amené. <coughs> Et eh, tu vois là, moi là tout là, ça m'empêche même de m'exprimer. <coughs> c'est trop, c'est trop, ma chérie. Non, non, non. C'est la fumée seulement. J'ai pas la Covid. Mais toi, tu ne sais pas que la fumée d'un sein dégage de l'air des substances toxiques pour l'organisme, des particules fines, nocives pour les voies respiratoires et les poumons. Habakeko. Ah <laughs> toi, tu recommences avec tes histoires à dormir debout là, madame la connaisseuse. Hé, eh, écoute, c'est très dangereux de faire ça, surtout qu'il y a des enfants dans la maison. Ils sont plus fragiles que nous. Les femmes mettaient de l'encens depuis la nuit des temps. Nos mamans aussi. Et personne n'en est mort. Ne parle pas comme une ignorante, s'il te plaît. Tu sais, l'encens là, c'est des morceaux de bois avec des produits synthétiques. Dès que ça rentre en contact avec le feu, des substances toxiques sont émises dans l'air et nuisent à la santé. Hum, madame la scientifique. Hé, ma chérie, attends. Je te raconte une histoire. Tu connais ma voisine chic chic là Celle qui met l'ancien matin et soir, midi. Pire que toi Ah oui Elle sent toujours très bon la dame là. Quand elle passe, tout le monde sait que c'est elle. Voilà, tu as bien compris. Elle est présentement très malade, avec des problèmes respiratoires chaque fois. Subhanallah Elle avait l'air bien en forme. Selon sa famille, les médecins lui ont indiqué c'est qu'elle a humé beaucoup de fumée et ses poumons n'ont pas pu supporter. Elle fumait chicha donc Pas du tout. C'était à cause de son enceinte. Et aujourd'hui, elle n'utilise plus ce genre de parfum. Mon Dieu, comment je vais faire pour que ma maison sente bon alors Tu sais, il n'est pas dangereux d'utiliser l'encens, à condition de l'utiliser avec modération. Si je comprends bien, c'est quand on abuse que c'est dangereux alors. Tu as bien compris. Quand une maison est propre et bien entretenue, pas besoin d'enfumer les gens, vraiment. La sang brûlée sur de la cendre chaude dégage moins de fumée que s'il les brûlé sur des braises vives. Aère bien la pièce pendant et après la combustion c'est la petite fille manga qui te parle, ma chérie. <laughs> Tout d'accord. Merci pour tes conseils, la petite fille manga. Zouera, viens prendre l'accessoire là. Je ne vais pas rendre mon mari et mes enfants malades pour rien. Tanti, je vous avais dit que la fumée était beaucoup, non Hé, eh, quitte là-bas. Voilà le loti de l'équipe femme du studio Kalangu, Ces bonnes dames qui ont le secret de sensibiliser avec beaucoup d'humour, Marianne. L'émission du Niger sur Kalangu, c'est aussi de la culture linguistique. Hein. Ce matin, c'est Tarnan Foudey de Destamaché qui nous vient avec le mot couloir de passage. Oui, euh, aujourd'hui on va voir un euh, couloir de passage, euh, un terme qu'on a l'habitude de rencontrer. Certainement vous allez rapidement vouloir savoir c'est quoi le couloir de passage. Un couloir de passage est une piste ou un chemin affecté au déplacement des animaux entre deux ou plusieurs localités pays ou des espaces pastoraux. Ce couloir de passage font l'objet de balissages, c'est-à-dire une technique d'aménagement qui vise à, les préserver, réhabiliter et matérialiser. Quand vous prenez au Niger, par exemple, ces couloirs de passage sont gérés par l'État et les ONG. En Tamashek, couleur de passage in ke soka i daga san ta kan tanak ger chugas i daga wini china chamwa san taret nasan mer i daga ninke wini alaqyan al hukumi kanen fela dastis magnat summugnu la dan nasan daga dolte niger gas i dagan inke wini al man manet nten jetana na tafandersan Vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. écoutant quelques-uns des messages d'auditeurs. kalanguwo labari kulkani ma nima bai kan dabbantano ina dahiran dino di mana dahiran di isa sambar kalangu a sabu sai no hunkuna irgogo farhan din ne kayan wani koy gol ko mino ra kayan kalangu dai no irgogo hangan gum sanda labari ki ga borno ya din ne hangan ni ga bai dai kai wallahi raja gogoi da cimi bai ga tamme ni kersu banno kan ga na hankan ga ki kula an borai be jandi a sai no wat kun rajo Kalangu in sifata hanganan irgogo koy ko mino ra no isaki ide Mm-hmm. koygolo isido kalanguri gudwaya isigira isinde tali isigiray kiriga hangan igogini hangan da dagabi paske bon hangan ni igudu bon fere bobu borga ma labari yang studio kalangu kan sima radio jaray bumbora aseni hangan yang kanis afo kursin kan sikanese lakkan noga didi iyamar yang kigite borese nguno ga kanir se gumo sido kalangu irga sabi se kini irga sabi se zari iko mal barka da igo tere ga ai gonda sabi mo kai ga to nan dido wana wana wai bore gin ko yon fondara ki yo wai bore ga ka kasine da sanka to bandai di himana ido hare wodin se dani go kanai se ima kokari se ir irwe bore mi se de banda ir ko mi di se ir ko mi di bu jama ci kan wai boro gonda ba hal sub hal subsi nga dai na go kanai se ni mazamni ne anan karkara illela e mu muna samu muna dan saurare muna su birkin studio kalangu bisa facebook gaskiya muna ɗari bisa ɗari bisa eh, take yi magana bisan su eh, na wajen karkara ita ko yau duniya ga mazdaminin karkara kullum kamar wa'azi ne kullum sai ana sheshi shi yake yi abubuwa da yawa da kuke yi muna, jin daɗin shiri wannan surtu wannan na wajen raya muhalli mu muna son mutane ku zan yi sortike Eh, wa'annan abubuwa in kuna yin su muna sauraren ku za mu rage abu da yawa shi ne kamar wanda nace kamar wa'azi ne kuke yi wannan abin kamar bisa harkar gandun daji ma kwanaki na ji kun safara wasu abubuwa na ji daɗi sai ni ta neman ma yi in samo irin nima in zan ba da albarkacin bakina saboda yau mutane kowa abai da lahiya gidan likita shekataya to ya kamata ai daji ma gona ce daji ma rai gare shi kenan in ka samu akwai inda aka tattauna bisa wadda ake yi daji shi hudu to ka gani wannan shina ƙara mana ƙarfin gwiwa da mu san namu ga wadda ya kamata mu yi da shi amma sai ya zamanto mu na nagara duka da agare mu communautaire da sun ka fara mana waye kai to yanzu duk sun ɓaci sai ya shi ya sa muka dibin ku eh, studio kalangu bisa facebook tunda inda na nan ga radiyuka muna na yi ka gani da in ka samu haɗin gwiwa to da alhamdulillah da abin ya ci gaba sosai wadda ma kowa da kowa zai gane Ainsi prend fin notre émission Les Niger sur Kalangou de ce vendredi 15 décembre 2023. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et moi-même à Maria Made. On se dit à 17h pour notre programme de 2 heures qui débutera avec la grande édition. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à la technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Ne manquez pas l'actu des jeunes et tout ça à la fada du week-end sur les ondes de nos radios partenaires excellent après-midi et bon début de week-end à tous. On vous laisse en bonne compagnie avec le titre Niger 1 et Indivisible de Hamsou Garba.